Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'en vais vous lire le communiqué numéro 37. Ce mardi 7 avril 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les examens virologiques suivants. Sur 110 tests réalisés, 11 sont revenus positifs. Il s'agit de 9 cas contacts suivis par nos services, de 2 cas issus de la transmission communautaire. Par ailleurs, 13 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et donc déclarés guéris. Ils sortiront d'hospitalisation tout à l'heure. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. À ce jour, 237 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 105 guéris, 2 décédés, 1 évacué. Par conséquent, nous avons dans nos hôpitaux 129 patients sous traitement. En outre, le Comité national de gestion des épidémies, au sortir de sa séance tenue hier, 6 avril 2020, a émis les recommandations suivantes. Premièrement, les comités régionaux de gestion des épidémies, avec l'appui des forces de défense et de sécurité, devront systématiquement mettre en œuvre leur propre stratégie pour endiguer la propagation communautaire du Covid-19. Deuxièmement, au regard du fort risque de contagion lié à la manipulation des dépouilles. Aucun transfert de corps provenant de pays infectés ne devra être permis. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle à la population son appel au strict respect des mesures de prévention individuelle et collective communiqué ou busbi. Taï Talata, Durom Nyari fan ci avril 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot résultat test Si ci test ak Fouke, yi ñu def tey fukk ak Ben, ci positif bon donc

ba mu commencé ak léegi mën nañ jàpp ne ñaar téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar i cas moom la Sénégal déclaré boobu ak léegi si ñaar téeméer fanweer ak juróom-ñaar yooyu téeméer ak juróom wér nañ si ñaar gen nañ si àdduna kenn ki évacué nañ ko bon dëkk fi ñuy wax ak yéen téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent ñoo nekk hôpital ñu leen di faj. ñu yëgal leen tam ne comité national de gestion des épidémies mooy kuréel gi xamante ne moom moo yor xeexu Covid 19 bi daje nañ démb ñu tënk ñaar bu njëkk bi ñu ne cas communautaire yi mi ngi bëgg a bëri mi ngi bëgg a dayo bon dëgg région bu nekk gouverneur bi mooy diriger.

ñu ne jàngoro ji fi mu tollu léegi ak wàll bi ni mu gaawee te koor yooyu bu ñu ñëwee niñ leen di téye xamuñ ndax dana mucc ayib am ndeet comité bi ñaan ñu dakkal bépp transfert parce que fii ñu toll ci xeex bi waruñu jël benn risque boo xamante ne dana indil ñi xamante ne ñooy xeex yeneen problème yoo xamante ne day dégg dayo bon nag transfertu koor boobu